ay ba tey ñu ngi si programme bi xam ngeen ne tey Aziz moo woote Aziz Fashion moo woote bu ko defee Mauritaniens yëpp ak sénégalais ñëw jàpp si ñu ngi fii si teer bi waaye comme bu ñu ñëwee dañu fekk ay ndaanaan kii moom kenn doot ko présenté macha allah Tabarez noo def. ça va bien macha allah alhamdulilah. dégg nga olof. tuuti rek. <laughs> mais mais mais yére bi dafa rafet trop. gis nga de Aziz Fashion moom ak may. moo génn fii waaw. d' accord Karina temps yi moom dañu lay gis yow yaay def buzz ah net bi yëpp fu ñu génn euh, Karina Karina Karina lu wara loolu. Comment ñi commencé à découvrir les ah je dis juste yàlla fais ko may. tu vois je fais je fais pas dañuy wax si man donc euh, franchement amay sant c'est tout ce que je peux je peux dire. Tu da ngay défiler oui je vais faire l'entrée de défiler. C'est la première fois que vous défilez ou que vous Non, non, j'ai déjà défilé, euh, pas pour l'événement de, Paris, euh, mais pour euh, un styliste ivoirien, Ousmane Doumbia. Et j'ai déjà aussi été mise en Guinée-Bissau. Ah oui, et j'ai déjà défilé aussi, j'ai plein de plein de fois à défiler donc c'est même pas à compter. Et donc Aziz, ce frère, là, pour Oui, oui, oui, Aziz, c'est mon frère. Voilà, on a tout organisé. Machallah, c'est un mec, euh, c'est un monsieur qui bosse beaucoup et il sait ce qu'il fait et il adore la mode. Mais Karina, nous que Fanny Saga. Nous Karina Saga. Pourquoi Saga Tu étais énervée ou là Non, c'est que c'était un bon, bon, je peux dire un malentendu, mais qui m'a un peu sorti hors de moi. Ah. Et c'est ça qui m'a poussé à insulter. Mais c'est pas trop ma façon de faire. Et je m'excuse euh, devant mes, mes, fans, je m'excuse, mais pas devant la personne que j'ai insultée quand même. Hein. Ah je m'excuse devant les fans. Moi, je suis comme ça. <laughs> <laughs> voilà, devant les fans. Mes fans qui m'adorent, je m'excuse devant eux, mais pas la personne que j'ai insultée. Tout court. Donc, euh, mais pas si qui parce que Voilà. Ce qu'on a déjà dit, on ne peut pas le remettre. C'est déjà sorti, c'est sorti, c'est comme ça. <laughs> pas d'excuses Non, pas d'excuses. <laughs>